c'est la meilleure des télés ici au Sénégal. On est venu ici aujourd'hui sur la plage de Malibu hein? pour faire plaisir aux jeunes parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils vont devenir demain, ils ont euh, l'avenir devant eux, ils vont venir, ils vont devenir... Euh, maman Aïcha, s'il vous Maman Aïcha, oui. Vous allez réserver vos français pour les questions, parce que là, vous m'avez vraiment surpris. Mais j'espère que tu es prêt. Oui, je suis prêt. Alors, c'est bon. Maintenant, je pense que ça vaut pas la peine de se présenter parce que gars, xam nañ Voilà, mais rapidement, rapidement. Levez-vous, s'il vous plaît, quand vous... Bonjour, monsieur. Frère Jacques, frère Jacques. Dormez-vous, hein. dormez-vous. Sonnez les matines, sonnez les matines. Mais on, ne danse pas en classe. ding, dong, Mais vous savez, mon maman classe, vous connaissez exceptionnel du monde. Alors, maintenant, cette fois-ci, vous allez écrire Dibi Dibi, Dibi, concentre-toi. Euh, les les quatre grands gars, s'il vous plaît au cas où quelqu'un déconne Djibi il xam nga du maintenant voilà composition aujourd'hui vous allez écrire écrivez sketch ah oui y artiste comédien na comédienne war ngeen mën un sketch <laughs> eh pas de tricherie Un eh, public vous allez juger hein. vous allez juger écrivez sketch maman Aïcha maman Aïcha maman Aïcha. maman Aïcha écris. non t'es tëjal t'es tëjal. maman Aïcha le micro bi voilà le grawul. eh coupez-nous nos bouts à coupez-nous nos eh public public public s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît. Euh, Doucouré alors c'est bon alors pas de teg on va démarrer par maman Aïcha yëkkatil sa ardoise yëkkatil bu baax je wanal ma ko bay public, s'il vous plaît wanal ma public bi xoolal côté public c'est bon ou pas est-ce que c'est correct maman Aïcha tegal Djibi Sèye yëkkatil ma xool vous montrez d'abord à Baydi montrez d'abord à Baydi montrez au public c'est bon Abdelaziz. Abdelaziz. Eh, eh, eh Doukre. Doukre, très bien. Abdelaziz, montre à Beidi, montre à Beidi. Abdelaziz, pickin, Pekin next, Pekin. Voilà le public, s'il vous plaît. Voilà le public. Est-ce que c'est bon Malheureusement, Amdi Vignon. Amdi, il y a des gens qui montrent à Beidi. Montre à papy, papy. Montre public, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est bon Omaro. Montre ça à papy d'abord. Montre, montre, montre ça au public. Est-ce que c'est bon C'est mieux, mieux, mieux, mieux. Et je pense que... Montre ici. Alors, comment trouver alors Doucouré wane ñu xool Doucouré wane wane wane rek wane rek montre montre montre à ah, <laughs> montre à béy ji waaye yëkkatil rek. eh bàyyi bàyyi bi dindi dindil complètement montre à béy ji bon. alors maintenant kan moo trouvé ci classe bi. Djibi Sey alors Djibi Il y da une a faussé Sey Djibi seulement m'ont trouvé alors. ajë des applaudissements pour Djibi s'il vous plaît c'est la bonne écriture maintenant so tu vas mettre un xoolal ma mois, moo njëkk a loxo et eh, public ngeen aussi le plus rapide hein le plus rapide comment appelle-t-on les habitants de Route Doucré, attendez, attendez. Attendez, public, écoutez attentivement. Ouais, Doucouré, c'est bon Oui. Les habitants de Boun, on les appelle les Bounen. Merci. Falla de qui Ouais, merci. Qui d'autre Non, Jimmy, c'est deuxième d'abord. Omero, tu as un micro. Jimmy Les habitants de la route de Boun, on les appelle les, euh, les Bounois. Omero, les habitants de Route de Boune, on les appelle les habitants de Yembel. Les habitants de Yembel. Donne euh, à Aziz, Aziz d'abord. Aziz. Les appels Route de Boune, les habitants de Mao. Comment De Poul, de Yembel. Merci beaucoup. Merci. Merci. Les habitants de Boune, ils s'appellent Bounois. <laughs> Maman Aïcha. Les habitants de Route de Boune. Hmm? on les appelle. les Bounens. maintenant hey attendez public public public je vais venir ici public attends ñëwal haral haral. khara. Khara, khara, khara. monsieur. pèse bien tes mots les habitants de route de Boune. les habitants de route de Boune s'appellent les Bounensale. Salé. les quoi. les Bounama. je vais venir ici non non côté bi faussé nañ damay jël trois yëpp damay def fi def fi def alors Noël, ici qui va répondre non j'ai déjà pris euh, un garçon une fille une fille une fille les filles alors d'accord j'ai quelqu'un ici j'ai là Attends, eh, Noël. yow bul ma ba di ah, ah? alors y en a ici non non j'ai déjà pris là-bas. Alors, je vais prendre. Préparez-vous, Yen. Quelqu'un. D'accord. Ah tiens. Les habitants, les habitants de route de Boune. Ça s'appelle les Bouniens. Alors, chers téléspectateurs, sous forme de commentaires, vous allez me donner la réponse. Comment appelle-t-on les habitants de Route de Boune J'ai entendu beaucoup de réponses. Les Bounaises, les Bounois, les Bouniers. Hein On les appelle comment Attends, attends. Attends. Non, rapidement, rapidement. Voilà, attendez, attendez. Non, bye, bye, Les Bounois. Merci. Mais non. boo il y a une réponse bi Hein? ah ah mon a gagné parce que quelqu'un a réponse répondu. les habitants de non j'ai bien dit les habitants de route de J'ai le micro Big Taf route de tu ci biir vous êtes d'accord. ah route de tu ci y yëmbal la box vous êtes d'accord. D'accord, correct. lan maintenant c'est ça oui. ah oui j'ai gagné il faut applaudir. gars tu le il m'a gagné. alors comment on dit nan la waxé pour am di comprendre le plus rapide encore rogne en français am am di am non attends attends attends am am di moo dé riz gratin comment riz gratin riz gratin vous êtes d'accord Sophia tu vous êtes d'accord on appelle Khogne en français euh, le derrière, le, au fin fond du marmite. Comment Au fin fond du marmite. Maman Aïcha Après Omaro on l'appelle Khogne en français gratin. Omaro Khogne, on l'appelle en français gratin chauffage. <laughs> Dimisei. Khogne en français euh, on peut, on peut l'appeler euh, gratin, mais on peut dire aussi lali, avec L-I-E. Li pour la... Lali, lie, avec L-I-E. Explique-toi. J'ai bien précisé. Eh. Ah, vous savez, vous ah. savez on peut appeler ah. euh, rogne en français gratin, comme on peut dire la lali. Pourquoi lali Parce que c'est son, son nom. C'est un synonyme. <laughs> C'est un, synonyme. Ah Oui. On verra bien. Voilà. On va faire rapport. Eh, eh. loolu kay jarul jarat. jarul jarat. prends le micro donne-lui le micro. Euh, donne-lui le micro. Euh, monsieur. oui on continue on continue kay. on continue on continue le micro là là là, non oh, la oh, non oh, wax mais oh, wax oh, oh, wax. oh, ah oh. Ah, waay ay am oh, oh, oh, oh ah, ah. ñu. en eh, eh, eh, d'accord on tourne la page alors on continue devinette devinette devinette je vais le dire en français da je may un artiste qui may bëgg a wax kan la ma attentivement s'il vous plaît en classe la classe la classe. oui monsieur. Eh. alors qui alors qui dani man artiste culturel devinez. devinette artiste culturel là le plus rapide hein je continue ah. mu ne bëri naa ay turandoo je continue. C'est Walisek. D'accord, on garde ta réponse. Je continue. Tout nañ ma fille rue de Dakar. Tali Walisek, Seck on continue. samay Wai, d'affaire neex ba frontière. Ngoula Amina. Baba Amina on continue Defna concert Zenith de Paris. Amar Ben. Wali Ben. Wali Waliba la. concert Zenith de Paris. on continue. je suis dans une famille artistique. Wali et enfin on m'appelle Golden Boy de la musique sénégalaise. Wali donc Djibi Seye moo njëkk maintenant. avant dernière question mais public je vais ngeen tontu ba et s'il vous plaît boss. la réponse de cette question je nga ma ko dagal TikTok parce que man je pense que nous ma xam. contraire de merci. <laughs> prends le micro le micro eh, attends attends maman Aïcha. tu dis quoi. contraire de merci. c'est c'est bon. Contraire de merci, c'est merde. C'est merde. Oui. Contraire de merci, Aziz. C'est fessé. Jibi Sey. Ah. Contraire de merde. Douane Lima. Andy Mignon. Baina la contraire de merde. Comment nga lan contraire Madame, Opposez-vous li nga wax. comme contraire ou pas, moi lu bon mais merci là moi contraire contraire. et eh, public vous le savez Il y a un rôle internet. viens là approche-toi avant dernière question approche-toi approche-toi Kai. contraire de merci j'ai bien dit contraire de merci. j'en veux plus. j'en veux plus. contraire de merci. les différences. les différences. J'en reçois beaucoup de réponses. Eh, je termine mais non mais boss tu mets là-dessus vous téléspectateurs Vous ngeen ma de merci sous forme de commentaires et on verra bien qui va trouver et avant dernière question dernière question culture générale vu que nous sommes tous acteurs culturels maintenant comment appelle-t-on le ministre de la culture du Sénégal Omaro Youssou Ndour eh. ministre de la culture du Sénégal nous Youssou c'est faux Sorna Khadi Sorna lan Khadi Khadi. Khadi comment non man sant habitude non c'est faux je demande le nom complet Khadi la tudd non Khadi d'accord Wa man Khadi ministre de la culture et pour terminer public attends le monsieur là mais ici vous le connaissez pas à part celui-là c'est Khadi Eh, eh, eh, Fatima Fatima Fatima génn ci. am di joxal am di. Khady Gaye ah c'est Khady Gaye. c'est Khady merci beaucoup. Maintenant, le premier de la classe, celui qui a tout trouvé. on a Dimissé et Omoro. Merci, monsieur. Toukouré, Maman Aïcha. Merci, Mignon. Merci beaucoup. À mes chers téléspectateurs, c'était la classe. Aujourd'hui, c'est même à Malibu. Le temps de donner l'antenne à Habib MVP et pour la suite du parcours. À vous l'honneur. 88 628 17 27 88 628 17 27 bottes duggee 25 000 francs Yangis ngi seetaan stv merci de nous retrouver en direct de Malibu je suis avec ma binôme très heureux d'être avec elle ce soir Sophia Thiam. Wow, wow. Waouh. Waouh. Waouh, yaram dafa de vos mu ne. <laughs> daa am partie bu des Asie. Waouh, en partie D'ici des jours. ma xaw ko ini indiwaat ko loolu mënul ñàkk. très bien ñii war nañ leen dugalaat école de. ah. li li ma gis Omaro eh. Omaro gars yi dinañ ak yow de. Eh, Omaro Fatima daf ci am ay de da nga mën boxe yow naturellement. <laughs> Omaro daa bëgg ay xeex ah, ay boxe. so nañ koy mais ah non boolewuñu ko ak eh, eh, Omaro Omaro moytul xale yi song la eh wae wae wae sama gaay Fatima yow tey nga fi gëj ah Fatima bëri nga fi xarit mais so binam dañoo dañoo def une semaine waaw Malibu gaay ne ah 2S Omaro eh Omaro Omaro bëgg ko pañ mais Omar yaa ngi dugal boyiku ay Wah waa Omar Wa Omar balen Omar équipe bi kaay Wow, wow. nii s'il vous plaît. waaw waaw. mais tey nag euh, euh, monsieur le ministre. des Faramaren formula la so. soo. mais nag soo dañ fi def une semaine. waaw. ñu ne wa Malibu dañuy ñëw ñamal len une semaine Wow. loolu mënul ñàkk Dakar la ñu ubbee. gars bu dem toog leen. waaw loolu da lañ bëgg. parce que daw. waaw Daw wa Dakar ñamaluñ leen won dara. dëgg la. donc ren dara. waaw loolu mënul waaw ñu très bien. ñëw and ak wa mairie golf. waaw mu nekk c'est une première. waaye duñ très bien. ndax ñi ngi jëmaat ci beneen semaine boo xam ne fan jëm. ah Petite Côte. ah. Petite Côte bëgg nañ ngeen xaar ñu. waa mais nag soo. li ñu jëflanteeg mhm. communauté Mm-hmm. ca mbuur mbuur kankurang mm-hmm. la ca des def dafa am solo waye nak dañoo wara dem ci parcours bi uh-huh. Fatima Silla mom mm-hmm. moo ñu war a woon moom moo simuler parcours bi bala suñu joueur yi tok ni ñeu wara jouer mais gars Fatima dem wala mu baña dem Fatima xalé yi nee bul dem dañoo dañ la soxla alors Fatima mu ngi nonu elle va simuler le parcours alors, les joueurs, il faut vous concentrer, bien observer ce qu'elle fait. Attention, bu joueur bi taxawé wara def départ, dañuy soti ndoxu omo. Bien sûr. L'objectif est de remplir la bouteille. Voilà, Mais rapidement, les def, def le tour, ñeu fi nga xamni mom mo ci deuxième jeu. Lance cerceau. Mouni Lance Cerceau. Lance Cerceau. Très bien. Malorli. Eh, eh. deuxième jeu. Cerceau. Kounek, tu as trois tentatives. Lance Cerceau deux ratés. alors saut. alors trois ratés. Fatima c'est juste un essayage oui. justement di fataline, ne circuit bu mhm. circuit Bounek, trois tentatives trois tentatives là. alors. voilà mu troisième. Euh, jeu bi parcours genre da ngay jël tennis bi bal tennis bi. nga képp ko ci sa bras yi. nga képp ko justement de concentration. ah mais tamit réflexion. tey le parcours a été modifié. waaw ça a été modifié gis naa loolu. tey nekk na am parce que le parcours a été modifié. alors logique quatrième jeu bi bi ban bi noonu. soob na. très bien waaw Omar Nena mo ñëk dem daal di jël li nga xamni mom moy ballon bi. alors da ngay tourner tu tournes sur toi-même. trois uh-huh. fois. trois fois bala ngay mir nga mën ko duggal ci tiax yi. très bien voilà c'était juste un essayage pour Fatima Silla. voilà passage pont c'est bon. le dernier parcours ñu dem ci li nga xamni mom moy euh poto lampe bi. Waouh mu li euh, li nga xamni mom moy euh, kuddu bi ànd ak nen bi maximum de concentration boy xol ci souf di mir lu leer laa la wax dal na ma wadd ngay def concentration bravo la lion voilà ni ngay def nga jeexal parcours bi dal di ñew je pense que game uh alors ben lay wané mais yeneen je lay donne parce que surprise la waaw bu ko defee rek dañu obligé changer li nga xam ni moom hein alors voilà. très bien tàccu Fatima bu baax a bravo moom moo ñu doon le parcours que va effectuer nos joueurs du jour. di leen fàttali ne ñu ngi ànd ak Omaro waaye itam Doucouré suñu baay Amdi Mignon suñu Mama Aïcha ah Djibi Sey Abdou Aziz di kontaan si ñoom ñu ngi def ligue bu am solo ci vacances de ouf waaye itam ñu ngi bégal ñëpp.

Harlen. Harlen, amoro. pendant que pendant que nos joueurs effectuent le parcours nous sommes au 88 628 17 27. Wallen new, ñu ñu en direct sur la 2STV qui vacances le Nunek.